Alors, chers auditeurs, pour euh, planter le décor, on va essayer de se demander d'abord qu'est-ce que c'est que ce référendum du 28 septembre 1958. Monsieur Jumari, je vous donne la parole. Le référendum du 28 septembre. Le référendum du 28 septembre euh, s'inscrit dans une dynamique de décolonisation. De colonisation. De décolonisation. De décolonisation. Voilà, donc, euh, qui est parti euh, de très loin, parce qu'il faut, il faut remonter à 44, la conférence de Brazzaville, ça passe par des étapes. Donc, 58 euh, n'est que l'aboutissement de tout un processus. Alors, il faut parler généralement à partir de l'arrivée du final de Gaulle. De la France. De la France. Parce que Après, après le putsch des généraux d'Alger, donc, euh, le général de Gaulle, la, situation était favorable pour le général de Gaulle. Le général de Gaulle est arrivé au pouvoir. Avec les objectifs suivants, essentiellement deux objectifs. D'abord, euh, mettre à, pratiquement mettre fin au régime, au, pratiquement au régime des partis, parce que c'est un régime, euh, c'est un régime parlementaire. Donc, et instaurer une république solide, une république, une république présidentielle. Là, vous parlez de la France, hein De la France, oui, non, parce que le processus commence, c'est lui, c'est là que ça va s'accélérer. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, donc, il a mis un pouvoir, un, pouvoir présidentiel fort. Et le, deuxième objectif, c'est maintenant prendre en main le processus de décolonisation. Donc, dans un premier temps, il faut, il faut négocier avec l'Algérie, parce que après Guignon Fou, déjà, pratiquement, la, pratiquement l'Indochine est pratiquement indépendante. Donc maintenant, il faut pratiquement prendre en main l'Afrique noire, qui est vraiment qui est en train de se débattre et qui passe par les, les dont vous connaissez, notamment la loi cadre. La loi cadre, c'est un régime semi-autonome qui consiste à élire euh, un parlement et une, pratiquement, pratiquement un gouvernement semi-autonome dont à la tête nous avons pratiquement Jibo Bakari. Ça, c'est le Niger. C'est le Niger. Oui. Donc après cela, maintenant, il faut maintenant trouver une solution parce qu'il y a déjà un processus de décolonisation qui est très avancé. Euh, quel était le statut de Jibo Bakari en ce moment Le Jibo Bakari était le président d'abord maire de, la ville de Niamey. De, la ville de Niamey et président du conseil de gouvernement, de c'est-à-dire premier ministre. Donc il a, après cela, alors maintenant... Donc il gérait avec, euh, en lien avec la France Avec la France, avec le gouverneur. D'accord. Le gouverneur qui était en l'occurrence euh, Guirolé au, départ. Ensuite, donc, après, à partir de, maintenant, la France, De Gaulle, pratiquement, doit mettre fin parce qu'il y a un processus très avancé, notamment avec la conférence euh, de, de, Cotonou, avec l'avènement du PRA, et le PRA qui s'est déclaré directement pour l'indépendance. Donc, il faut gérer tous ces problèmes, notamment l'évolution vers l'indépendance. Alors, pour cela, il entreprendra pratiquement une tournée qui va l'amener, le de Gaulle. Il n'entend pas une tournée qui va l'amener à Conakry. Donc vous connaissez l'étape de Conakry, n'est-ce pas euh, Général de Gaulle, pratiquement, euh, Touré a dit, nous préférons la pauvreté dans l'indépendance à, à l'abondance dans l'esclavage. Donc vraiment, il a été, sa position était claire. Et général de Gaulle était dessus, paraît-il, qu'il a même failli oublier son képi. Donc, euh, après l'étape de Dakar, donc Dakar, alors vraiment, la, situation était effervescente, n'est-ce pas Parce qu'il y a des partis politiques qui n'arrivent pas à s'entendre. Donc à, cette occasion, de Bakari était là-bas avec le, président de l'Assemblée nationale qui est Georges Condat. Donc il a ce qui a beaucoup focalisé l'attention des gens, c'est son entretien avec Jibou. Parce qu'il pensait que... D'école avec Jibou. D'école avec Jibou l'entretien a eu lieu, je crois que le conférencier a parlé de ça, 45 minutes, pour convaincre Jibo, parce que Jibo était très engagé. Il était élu d'abord secrétaire général du PERA, donc euh, il était déjà vraiment très affiché. il était affiché pourquoi il a pour l'indépendance immédiate. Parce que sa position était claire à partir de, Cotonou. Mm, c'est un peu le, euh, le secours du Niger. Hein. Absolument, c'est le secours Comme vous le dites, oui. C'est ça. Donc, euh, alors, maintenant, il paraît pratiquement que la situation était très claire et je ne pourrait plus reculer. Donc, euh, alors, euh, les jeux sont faits comme on dit. Le projet est très avancé. Alors, le problème qui se pose, c'est que maintenant, la situation géostratégique du Niger était telle que, à l'époque, il y a le processus de l'OCRS qui, était en perspective c'est-à-dire la, création d'une entité. alors, on va, essayer de résumer en gros pour comprendre et puis euh, parce que ça va être difficile de retracer toute cette histoire. Finalement, qu'est-ce qu'on, en quoi on résume ça, ah, le référendum du 28 Le référendum, il s'agit de prendre pratiquement, de voter pour l'indépendance ou pratiquement accepter la communauté franco-africaine. C'est de deux choses l'une. C'est deux choses l'une. Donc ceux qui acceptent le, non, c'est-à-dire le non, c'est pour l'indépendance. Et ceux qui acceptent le oui, c'est pour la communauté franco-africaine. Alors, pour caricaturer, qu'est-ce que ça représente pour le Niger Sawaba, RDA, c'est comme ça en caricature. Oui. Qui était pour le non, qui était pour le oui Le non était pratiquement affiché depuis, depuis pratiquement, c'est un processus à partir de 1957. La position de Djibo était claire. Il était le secrétaire général du PRA. Hmm. Et à l'unanimité à, Cotonou, les gens, la plupart des, des, des membres de, de, de, ce mouvement, parce que c'est un mouvement, était parti pour le PRA, pour pratiquement pour le non. Donc Jibo était clairement affiché pour le non. Et qui était pour le oui Pour le oui, c'était l'autre, la partie rivale, c'est-à-dire le PPN-RDA. Représenté par Par, Hamani. D'accord. Merci beaucoup pour cette, précision. Euh, Moukela Oui, merci. Euh, le PRA, et puis euh, aujourd'hui, vous vous représentez le Sawaba. tout à l'heure, vous avez dit que Jibo était le Sekou Touré du Niger. Euh, moi, je dirais que. C'est ma compréhension, hein, tel qu'il l'a décrit. pour la France et le général de Gaulle, c'était plus que ça. Euh, la France pouvait accepter et a accepté de perdre la Guinée, mais la France ne pouvait pas accepter de perdre le Niger. Et à cause des raisons que Zoumari a évoquées un peu, c'est euh, la question du Sahara, mais surtout la question de l'Algérie indépendante. Donc la lutte de libération de l'Algérie euh, était, euh, avait, eu, comme soutien aussi le Soaba et le gouvernement du Soaba. Jibo soutenait le, FNL algérien. Et Jibo euh, soutenait le FNL. Jibo avait, comme il a dit en tant que père, demandé à voter non. Et il y avait aussi la proximité avec le Niger parce que le Soaba de l'époque était prêt au cas où il perdait euh, la partie, euh, de, demander euh, une fédération avec le Nigeria, malgré la différence linguistique, mais il y avait aussi la proximité ethnique et autres. Mais en fait, pour ne pas rester dans l'événementiel, le sens que nous, nous avons donné à cette conférence, c'est surtout. on va revenir peut-être à cette conférence, hein. mais pour le moins le référendum, quel est le sens Qu'est-ce qu'il fallait juste retenir Ce qu'il fallait retenir, le référendum était, euh, donc je disais, euh, les causes pour lesquelles la France ne pouvait pas accepter de perdre. Et à cause de cela, la France a tout mis en œuvre pour réaliser un véritable coup d'État électoral. Et le coup d'État électoral a été effectué avec Colombani, qui est gouverneur ici, parce que euh, justement, on a fait venir euh, Colombani à la place de Rollet pour que justement euh, il puisse superviser la, mise en œuvre du coup d'État. il fallait, on savait que Jibo était très populaire, on savait que le nom avait beaucoup de chances. D'ailleurs, de, de Gaulle avait dit, semble-t-il, que les plus dangereux pour euh, le référendum pour la communauté euh, qu'il préconise, c'était les leaders du Niger. Ils avaient, ils avaient plus peur de Jibo que de couturer de ce point de vue. Et, il fallait tout, faire pour éviter que le nom passe. D'accord. On va revenir sur le nom et le oui, mais on va demander à l'historien. Vous n'avez pas, vous avez parlé de Jibo Bakari, mais il y avait l'autre camp adverse qui est le RDA comment était le RDA et pourquoi le RDA a bénéficié du soutien de... Et plutôt le PPN RDA. Le RDA. Parce que le RDA, c'est vraiment une, communauté. C'est-à-dire, c'est une, mouvance. D'accord. C'est une mouvance, un mouvement très large. Et là, il faut parler du PPN. Donc, le RDA, le Parti progressiste nigérien. Voilà, le Parti progressiste nigérien. Qui est une section du RDA. Qui est, une section du RDA. Donc, le, PPN, le PPN a connu un cheminement vous savez, euh, le, secrétaire général le plus actif a été Jibo Bakari, de 47 à 50 ans. Le PPNR, hein. Le PPNR original. Le, premier, le, le premier secrétaire général était Kourmo Barkourou. Euh, sous la pression de l'administration, euh, vraiment, euh, c'est pas tout le monde qui peut tenir le coup. Les, brimades et les affectations arbitraires, donc moi avait démissionné. Et vois avait pratiquement pris sa place. Il était le deuxième secrétaire général pratiquement du, PPN originel, entre 47 et 51. C'est lui d'ailleurs qui a fait adhérer le, PPN au RDA. Donc à partir de 51, il y a eu pratiquement ce qu'on appelle le désapparentement, parce que le, PPN était apparenté au groupe communiste à l'Assemblée nationale. Donc à, partir de 52, il y a eu le désapparentement et c'est la première crise qui a fait pratiquement partir Jibo. Jibo, pratiquement, savait déjà qu'il euh, ne peut plus faire cause commune avec ces gens parce qu'ils ont abandonné presque la lutte pour la collaboration. Donc, à partir de 51, 52, il va pratiquement se, consacrer essentiellement à la lutte syndicale. Celui, il va être le premier a le parti Il a quitté le parti pour se consacrer au syndicat. Donc, entre 52 53, il va faire le syndicalisme. Et en 54, il va créer son parti, l'UDN saoba qui va toujours s'affilier au RDA. Il s'appellera UDN RDA, n'est-ce pas Donc en 54, en 55, à, la, conférence de Cotonou, on a dit que non, il ne peut pas avoir deux sections euh, RDA euh, dans un même pays. Donc il a quitté le RDA. En ce moment, il a, il a pris une autre mouvance qui venait de se créer, le MSA, le Mouvement Socialiste Africain. Donc c'est avec le mouvement socialiste africain que qu'interviendra pratiquement ce qu'on appelle la loi cadre. Donc, euh, alors, depuis son départ, le PPN est devenu pratiquement ce qu'on peut dire une coquille vide, n'est-ce pas Parce que aux élections de 56, n'est-ce pas euh, Aux élections législatives de 56, l'UDN, le, l'UDN euh, en collaboration avec le, le BNA, avait pratiquement eu 49 députés sur 11 n'est-ce pas Ok, donc parlez-nous maintenant du RDA, du RDA qui restait. Euh, le PPN par, euh, enfin, le donc, PPN. oui, le, pas le PPN, oui, le PPN RDA qui restait avec euh, Juri euh, Hamani. Oui. Donc, quelle était l'idée qu'il prenait le, le, RDA depuis le PPN depuis c'est la collaboration. Vous avez la collaboration avec la France. Comment euh, c'était cette collaboration Cette collaboration, c'est-à-dire pas, pas, de, pas d'obstacle pratiquement à tout. Parce que vous savez, c'est que si vous me permettez, à travers la lecture, euh, les différentes lectures que j'ai eu à faire à travers beaucoup d'ouvrages, les, différents acteurs étaient pratiquement, j'ai fait une typologie de trois catégories d'acteurs. Il y a ce qu'on appelle les engagés, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle les nationalistes, il y a ce qu'on appelle les modérés et il y a ce qu'on appelle les opportunistes. Donc, parmi ce lot, il y a beaucoup de gens, les opportunistes, c'est-à-dire qui s'accrochent à toute situation. Même maintenant, ça existe, cette typologie. Il y a des modérés, comme on appelle les modérés, et puis pratiquement les, opportunistes. Donc, à l'arrivée, pratiquement à partir de 50, 54, les choses commencent à se décanter. Le RDA a toujours joué la carte de la collaboration. Avec la France. Depuis, depuis 52, d'ailleurs, euh, ils n'ont jamais posé un obstacle concret. Et vous savez, le, le, problème, quand j'ai dit de modérés, parce que à partir de 50, 46, on a aboli, on a aboli les travaux forcés, on a aboli l'indigénat. Et donc maintenant, pour eux, ils peuvent s'assimiler. surtout que le double collège même est tombé. Donc pour certains déjà, parce que vous savez, la politique, la France a, a, a joué ce qu'on appelle la politique de l'assimilation. Donc pour eux, de toute façon, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus d'obstacle à faire à la France. Donc la collaboration peut se poursuivre sans obstacle. Alors je vais, me tourner vers Moukela, qui est le président du l'UDFP Sawaba. Euh, en 58, c'était le référendum pour le 8 et le, non. Vous, vous êtes pour le non, historiquement. Mais il ne restait que deux ans pour l'indépendance, c'était clair, non Oui. Euh, <laughs> Quel est le décalage entre les deux Pourquoi euh, ne pas attendre peut-être deux ans pour, pour être comme les autres je crois qu'il faut d'abord, il faut d'abord souligner que euh, la différence entre le SOABA et le RDA, c'est une différence de fond. Différence de fond d'abord par l'architecture même des partis et par l'idéal qui anime ces partis-là. Euh, le Sohaba est avant tout un parti du petit peuple, constitué des ouvriers essentiellement, il a parlé de syndicats tout à l'heure, euh, des ouvriers, des paysans, euh, des gens de maison, des chauffeurs. Et le RDA a toujours été un parti de commis. Et s'il parle d'opportunisme et de collaboration, c'est quelque chose qui est propre à cette catégorie de gens, aujourd'hui encore d'ailleurs. Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les intellectuels, qui étaient les commis d'hier, ou les, travailleurs des, des ministères, ce qu'on appelle les fonctionnaires. Euh, sont plus astreints à collaborer que euh, les, ouvriers et le petit peuple d'une manière générale. Alors, je ne veux pas revenir sur ce que le Zoumari a dit, mais euh, les convictions du Sohaba et de Jibo Bakari, c'était, et le Sohaba d'ailleurs, dont le nom veut dire liberté et bien-être, c'était d'abord lutter pour non seulement la souveraineté nationale, mais pour le bonheur du peuple nigérien. Et la, question du désavantage dont il a parlé, le sens que Jibo lui-même donne à ça, c'est qu'il dit il ne voit pas ce qui a changé pour que lui et son parti, et après lui et ses amis plutôt, parce qu'à l'époque c'était ça, euh, puissent se désolidariser euh, de, de l'apparentement au, Parti communiste et que le système colonial qui continue à sévir et à, opprimer, à, à, brimer euh, le peuple, lui n'a pas changé. Pourquoi eux vont-ils changer D'accord. Donc c'est ce sens-là qu'il Il reste la ligne, la ligne qui consistait à défendre un peu. Voilà. Euh, vous me reprenez Voilà. donc, euh, quant au RDA, eux, pour le RDA, je vais demander à l'historien qui va peut-être nous donner une belle caricature de la situation. Euh, parle de parti de commis. <laughs> Est-ce que c'est réellement ça euh, Le RDA avait des valeurs quand même. Oui, mais quand je tu parle d'histoire, hein. euh, réellement ce qu'il dit, c'est correct. Quand je vous ai dit pratiquement des gens qui s'accommodent avec la situation créée là, parce que déjà j'ai dit que pour eux le, colonialisme est parti. À partir du moment où ils ne sont plus appelés indigènes. Ils ont le statut de, citoyens citoyen. Et donc, euh, à partir de ces acquis, ils ne voient pas d'autres obstacles. Alors que le colonialisme est plus profond que ça. Le colonialisme, c'est l'exploitation des ressources minières. Le la colonisation, c'est d'autres choses que pratiquement euh, l'apparence de ce qui est parti là. D'accord. Alors, finalement, le, le, référendum a eu lieu et c'est le nom qu'il a emporté, le oui qu'il a emporté. C'est la vérité. Ah, là, je crois que c'est loin de la vérité. Parce que vous savez, quand déjà. Quelles sont les données que vous avez en tant qu'historien Les couleurs étaient déjà affichées à partir de la tournée du général de Gaulle. Il savait que vraiment euh, la, position de Gibo était claire. Hmm. Donc il faut passer par tous les moyens, parce que là, il, il même clairement dit. Je crois que d'abord, pendant, pendant même la tournée du général de Gaulle, le, le Colombani s'est rencontré avec le gouverneur général de, de, de Laof, qui était en tournée à, à Ouagadougou pour lui dire vraiment que la cause du Niger est entendue. Donc il faut mettre tout en, œuvre pour que pratiquement le, le, non ne passe pas. Donc il y a pas, il y a pas. Quelles étaient les élections Comment c'était organisé D'abord, d'abord, d'abord la, stratégie utilisée. La stratégie utilisée consiste maintenant d'abord à d'abord à partir de, il faut faire tous les moyens, c'est-à-dire maintenant à partir de de, Niamey, les colonnes qui sont pratiquées, les, les colonnes armées qui vont sillonner le Niger pour apeurer la population sud, du sud algérien, pratiquement, il y a une colonne, une colonne qui est descendue. De Gao, une colonne est descendue. Et à partir d'Abidjan, pratiquement des troupes de, de, des troupes de, contingents de policiers sont arrivés pratiquement. Et toutes ces masses, toutes ces, pratiquement tous ces contingents, pratiquement devaient apeurer les populations. Pour dire si pratiquement, si vous ne votez pas euh, oui, c'est que vraiment vous allez pratiquement vivre pratiquement les, les affres pratiquement de la, la, terreur. Et avant les Andoms, pour la première fois, les, les avions bombardiers euh, pratiquement volés à Razmout pour dire pratiquement pour appeler les populations. C'était un contexte de peur. Un contexte pratiquement de, de terreur, c'est pas de, de, peur, parce que l'armada qui est pratiquement des colonnes qui viennent du sud algérien, des colonnes qui pratiquent de Niamey pratiquement pour sillonner le Niger d'ouest en est, il y a un contingent pratiquement des contingents, pratiquement de, troupes, euh, pratiquement aussi des troupes armées qui sont venues de Gao. Hmm. Et tout cela pratiquement pour mettre pratiquement le Niger, le, euh, Niger en sandwich. D'accord. malgré, bon, d'accord. Euh, <laughs> est-ce que, comment vous avez mené, le Sahaba avait mené sa campagne Vous avez mené des campagnes justement, Le jeu était clair Le, jeu n'était pas clair parce que Colombani, qui était le gouverneur, a mis à contribution l'administration justement euh, déjà euh, pour freiner la campagne, sinon même parfois euh, empêcher le Sohaba de battre campagne en, en, lui retirant les véhicules que le parti a mis à leur disposition, en, évitant souvent, en, empêchant des meetings à l'intérieur du pays. Et donc déjà au niveau de la campagne, le temps était donné. le jour du référendum, comme l'a dit euh, le, Zoumari, euh, c'est vrai, euh, toutes ces colonnes qui étaient venues étaient venues pour empêcher que le 8 passe. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que en dehors des grands centres, partout à l'intérieur du pays, les militaires français ont remplacé les présidents du bureau de vote dans les bureaux de vote. Et ils ont chassé les assesseurs et les représentants des, des partis euh, de, de, et de, ses alliés. Quels étaient les résultats euh, Dans certains bureaux, on, a même inversé carrément les résultats. Le, le, le, non, a gagné parce que euh, on a voulu faire gagner le nom non, en, usant, de la force et de l'utilisation de... Même des prisonniers de, de, de droit ont été libérés pour participer à la campagne contre, contre le nom Donc, il y a eu véritablement un hold-up électoral. Euh, et d'ailleurs, il y a un historien qui s'appelle Klaas, un Hollandais. Lui, il parle carrément du premier coup d'État moderne en Afrique. D'accord. Merci pour cette précision. Alors, M. Zoumari, oui? Euh, quel était, euh, pourquoi il fallait dire oui à l'indépendance Pour quelles raisons c'est, une option, c'est un choix. Comme je vous dis, pratiquement. pour le RDA, de toute façon, l'occasion est propice. Parce que si vous savez, De Gaulle a préféré de loin Djibouti. Il a voulu le négocier, n'est-ce pas Mais si je vous comprends bien, Jibo aussi a collaboré avec De Gaulle, non un moment Non, Jibo n'a pas collaboré. Jibo, c'est-à-dire, quand on dit collaboration, c'est-à-dire. Euh, ils ont travaillé ensemble. Ils ont géré ensemble. Ils ont, géré avec les gouverneurs. Oui. Ils ont géré avec le gouverneur. Quand je dis collaboration, c'est-à-dire euh, pas d'obstacle, n'est-ce pas Tout ce que vous dites, ça passe, n'est-ce pas Donc c'est ça la, collaboration. Alors que l'obstacle, la lutte, c'est pratiquement dire non quand ça ne, ça, va pas. Mais quand un, un collaborateur, bon, quand on dit un collabo, c'est pas le sens de collaborateur travail je le travail. Parce qu'en politique, quand on dit un collabo, un collabo qui fait est de mèche avec euh, l'exploitant. Donc quand on dit un collabo, c'est ça. Donc c'est pas le même sens que, par exemple, mon, collaborateur de travail. Donc sur le plan historique, quand on dit un collabo, ça dit quelqu'un qui est de mèche avec l'occupant. Donc c'est dans ce sens qu'on donne à, à collaborateurs, n'est-ce pas, pour ne pas du collaborateur. Donc c'est dans ce sens qu'on leur donne. Ils n'ont jamais fait d'obstacle depuis, j'ai dit, depuis 1946. Pour eux, euh, de toute façon, il n'y a, a, pas de problème. Euh, on peut toujours s'entendre avec, avec le blanc. Il y en a qui n'ont jamais posé de leur vie un acte euh, anticolonial. De toute leur vie, je peux vous donner des exemples, je n'ai pas besoin de le dire, de toute leur vie, ils n'ont jamais posé un acte anticolonial. Alors, Alors euh, donc maintenant. C'est euh, pour une parenthèse pour vous dire, parce que quand Jibo était secrétaire général, pour échapper à tous ces brimades, il a pris euh, pratiquement hein, il a pris une disponibilité sans solde. Il a travaillé pendant de, 47 de 47 à 52 il a pratiquement il a travaillé sans solde. Parce que si a un fonctionnaire pratiquement ne pourrait pas gérer le RDA, sinon euh, le PPN à l'époque, parce qu'aussitôt il est muté. Gibault d'ailleurs devait être parti, il, devait, il a été muté à, à, à, à Cotonou. Il a refusé de partir, donc il a démissionné, il a préféré prendre en charge le parti. On va prendre une pause et de revenir encore. Voilà. Alors, à 19h, à 18h44, je vais vous proposer de suivre un élément qui a trait <coughs> à Juri Hamani, qui était euh, l'une des têtes d'affiche euh, à l'issue du référendum. Et lui était pour euh, le oui. Le oui. en faveur de, de l'indépendance. Non, le oui pour la continuité. pour la communauté franco-africaine. Pour la communauté franco, africaine donc, c'est, donc, lui, il a défendu. Absolument. Lui, il a défendu le oui, et c'est lui, le père de l'indépendance du Niger, qu'il a dirigé d'ailleurs de 1960 à 1974. Il aurait soufflé sur ses 100 bougies en juin dernier s'il était vivant. Et c'est pour honorer sa mémoire et surtout lui rendre hommage que le gouvernement a décidé de lui consacrer une semaine à sa mémoire. L'idée étant de rappeler aux générations qui ne l'ont pas connu et celles qui l'ont connu, l'œuvre, le parcours et la vie de ce temps politique nigérien. Le centenaire a été célébré en grande pompe, si on peut le dire. Je vous propose de suivre Sanusi Tambari Il faisait partie du comité d'organisation de l'événement. Voici ce qu'il dit sur Djuri Amani. Il maîtrisait vraiment euh, les questions politiques, les questions de politique euh, nationale, mais surtout les questions de politique internationale, les questions économiques et les questions sociales. N'oublions pas qu'il a fréquenté le palais Bourbon en tant que député, il a eu une certaine expérience. Je l'ai rencontré personnellement, je crois, trois ou quatre fois dans le cadre de mon travail à la présidence de la République et j'ai toujours trouvé à lui quelqu'un de très ouvert. Lorsque vous l'approchez, vous craignez déraper en face d'un président de la République chef d'État, mais quand vous arrivez devant lui, il vous met à l'aise et puis, puis vous-même, vous vous sentez en tout cas très dispo pour discuter avec lui. Ici, entre copains, entre amis, des fois, des fois on s'amuse. On dit mais les différents présidents du, Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le et on dit ceci, Jory a construit, Kunchi a détruit, Alseb a vendu, Baré a bradé, Moosman a négligé, Tanja a pataugé, et Mohamed Sou se demande ce qu'il va faire. C'est pour vous dire que vraiment il a réalisé quelque chose. Vraiment, nous, nous avons été injustes. En tant qu'étudiants, on a été injustes. On a beaucoup combattu le régime de jolie Moi, j'étais étudiant de 1961 à 1968 et je suis resté en France jusqu'en 1970. On a toujours combattu le régime de jolie On a toujours sorti des tracts, des déclarations contre le régime de jolie Je me souviens encore du tract que nous avons rédigé à l'occasion du 18 décembre 1968. Je me suis souvenu de ça quand j'étais en prison à Tilabé. À en 1978. je dis, le 18 décembre 1968, nous étions à Paris en train de dire 10 ans de malheur, 10 ans de ceci, 10 ans de cela. Et voilà, Dieu nous a attrapés. C'est maintenant qu'on euh, est en train de vivre 10 ans de, de malheur en prison, le 18 décembre 1968. Écoutez, n'entrons pas dans le sujet, mais le président Jory a réalisé des choses énorme. Jusqu'à présent, l'essentiel de l'armature industrielle que nous avons au Niger, jusqu'à présent, c'est le reliquat de ce qui est resté de ce que Djouri a fait. Est-ce que vous, vous avez souvenance de ce que Kuncha a fait comme réalisation industrielle Est-ce que vous connaissez une seule usine que Alice a fait construire Une seule. Après, à où nous sommes venus à euh, la transition post-conférence nationale, le régime de l'AFC. Est-ce que vous connaissez une seule brique que nous avons posée pendant tout le régime de l'AFC et même la prolongation du régime de l'AFC, c'est-à-dire la cohabitation Vous connaissez une seule brique que nous avons posée Non. Barré est venu. Il a patrouillé, il a cherché à faire quelque chose, mais la Banque mondiale et le FMI l'ont obligé à continuer à brader une bonne partie du patrimoine nigérien, c'est-à-dire de ce, de ce que Jory a construit. Voilà, vous venez de suivre euh, avec <laughs> nous euh, l'homme politique Sanusi Tambarijakou que vous connaissez bien. En tout cas, il a donné une situation un peu, voilà, vous le connaissez bien et euh, il n'a pas la langue dans la poche. Il reconnaît que Diori, c'était le oui, mais il représente Diori comme un homme d'État, un homme qui a fait pour le peuple, bien qu'il ait défendu le oui, monsieur avis ça, n'engage que lui, parce qu'on on se, on se rappelle, c'est pas encore très loin. Quand il fallait dire non pour prendre l'indépendance, euh, ils ont pratiquement, ils ont, ils ont pratiquement esquivé. Oui, mais quelles étaient les valeurs de l'indépendance je, je dis donc euh, l'indépendance, les valeurs de l'indépendance, c'est prendre en charge la, pratiquement la situation sociopolitique et économique du Niger. Donc il fallait pratiquement à cette époque, parce que si vous savez dans quelles conditions euh, tout cela a été monté, vous savez c'est une stratégie de la France. Cette indépendance leur a été donnée. C'est une indépendance octroyée, c'est-à-dire une façon de partir pour mieux rester, n'est-ce pas Donc c'est une stratégie. C'est-à-dire, au moment où il faut partir, parce qu'il sait qu'avec ces gens-là, c'est dans, j'ai dit que de leur vie, ils n'ont jamais posé des actes. Il y a tout, récemment, les archives ont commencé à parler. Dans quelles conditions ils ont été installés je, Pratiquement, je crois qu'il a la documentation. Alors, revenons à l'homme. Voilà. L'homme, l'homme, euh, le caractère présenté par. Sincèrement, euh, moi, moi, je l'ai pas connu. Mais ce que je sais, c'est que je sais que sous, sous la présidence, sous la présidence actuelle, le palais actuel, il y avait une prison où, où les, pratiquement les sahabistes étaient terroristes, pratiquement étaient pratiquement patrimoine ils étaient, je, vous dis, il y a des témoins qui étaient là. Donc, sous, sous le palais, et ils savaient qu'il était là-bas. Et c'est Colombani qui faisait pratiquement le tortionnaire. oui, ça c'est l'autre côté, mais quand même il était présenté comme quelqu'un qui a fait quelque chose pour ce pays, qui a défendu les pays à un moment. Qui a, fait, qui a fait 15 ans. On peut pas faire Certains font le lien avec le coup d'état de 114, c'est pas pour rien, il est parti. Oui, mais j'ai dit, il a, il a fait 15 ans. 15 ans, il a, il a dû réaliser quelque chose. Ça, je suis, suis pas Qu'est-ce que vous reconnaissez en lui euh, ah, Qu'est-ce qu'il a réalisé avec, avec le recul, si vous voulez. Oui. Avec le recul de ce qu'il y a aujourd'hui, euh, je dis vraiment qu'ils ils ont fait par rapport à, ce que nous vivons aujourd'hui. Mmh. Honnêtement. Présentez-nous quelques caractéristiques de, ces réalisations pour vous. Ces, réalisations, je dis que c'est pratiquement au moins, ils ont essayé par rapport à les moyens qu'ils avaient, ils ont quand même fait quelque chose par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est, que c'est des on les a combattus, mais il y a, et puis il y a aussi certaines valeurs qu'ils avaient malgré tout. D'accord. Merci pour cette euh, précision. Moukela, de... Euh, euh, Sanusi a présenté Djuri Hamani, qu'il avait combattu, il était étudiant, et puis peut-être même en politique, mais il lui reconnaissait un certain nombre de valeurs. Vous êtes d'accord avec lui D'abord, d'abord, il y a une équivoque qu'il faut lever et quand il dit que Yori est le père de l'indépendance, ce n'est pas vrai. Le véritable père de l'indépendance, c'est Jibo Bakari. C'est lui qui a lutté pour l'indépendance. le Niger est indépendant en 1960. pourquoi on n'a pas attendu deux ans, parce que deux ans après, De Gaulle a donné l'indépendance. Mais De Gaulle a donné l'indépendance justement pour, pour freiner, pour arrêter la montée du nationalisme au Niger comme dans d'autres pays. C'est pour, pour une façon de contrecarrer la lutte du Souaba et de Jibo Bakari. L'indépendance était nominale, elle n'était pas réelle. La preuve, c'est que euh, euh, malgré l'indépendance, déjà en, 1960, le, euh, Colombani, qui était le gouverneur, a juste changé de poste. Il est devenu le premier ambassadeur plénipotentiel du Niger au 1er mars. Les ministres, de même que qu'au niveau de l'Assemblée, c'était le représentant de Colombani qui siégeait et c'est c'est lui qui dictait ce qu'il voulait, y compris les remaniements qui se faire avec C'est peut-être une passation, parce qu'il fallait, il fallait faire une passation de service. C'est pas facile pour un État. Euh, non, c'est pour dire que, en fait, la question de en réalité, les gens disent ça, mais à mon sens, c'est pas ça. Hein. Hum, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de jury en tant que père de l'indépendance, en, tant que quelqu'un qui a dit non à l'indépendance Moi, à mon sens, je ne peux pas le considérer comme père de l'indépendance. Parce que quelqu'un qui a refusé à deux ans l'indépendance, il a dit non, mais comment on va dire qu'il est perdu Qui a d'abord demandé l'indépendance de premier Donc c'est une question de. C'est des de compréhensions peut-être entre deux voilà. ans. Donc, entre deux ans, entre deux ans. Qu'est-ce qui peut changer pour un pays réellement Rien n'a changé. En deux ans, qu'est-ce qui peut changer euh. Donc quelqu'un qui a refusé l'indépendance il y a deux ans et qui. Euh, c'est une indépendance Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette indépendance quand ils veulent l'avoir, ils, n'ont pas, ils, disent qu'ils ne veulent pas. À l'époque, on disait même, vous qui demandez l'indépendance, vous ne savez même pas fabriquer des aiguilles. Est-ce qu'en deux ans, ils ont pu fabriquer des aiguilles alors, euh, on va, revenir à l'actualité, <laughs> euh, M. Moukalaoui. On va revenir à l'actualité parce qu'on n'a pas assez de temps. Euh, vous avez organisé hier soir une conférence publique pour effectivement parler de ce non au référendum. Pourquoi Et apparemment, vous, n'étiez pas associé, comme le pouvoir l'a fait, avec le centenaire. Qu'est-ce qui explique un peu ce peu d'intérêt et que vous voulez peut-être contrer Oui, merci. Mais avant, je voulais vous dire que... Euh, on n'a pas assez de temps. Hein? Même l'indépendance là dont vous parlez, nominale là, on l'a imposée à Djuri et au RDA. D'accord. Revenons à la commémoration. Mais, pour revenir à, la conférence, à la commémoration oui, à la conférence du centenaire, oui. Euh, euh, le Soaba n'a pas, participé à, cet événement, tout simplement. du, centenaire, euh, tout simplement parce que euh, nous, nous refusons d'être instrumentalisés. vous savez, l'utilisation politicienne que le pouvoir actuel a voulu faire de jury euh, et, de, et de, de, ce qu'il appelle les réalisations de jury euh, nous avons tout de suite compris, que c'est une façon, c'est une sorte de. était une sorte de faire valoir pour ce régime que nous combattons en tant qu'opposants, d'une part. Euh, d'autre part. L'actuel régime L'actuel régime, oui. Nous, on est à l'opposition. Le Swaba est à l'opposition. Oui, mais vous avez, travaillé ensemble, hein oui, on a travaillé ensemble et, à un moment donné, parce qu'on a cru partager le même idéal euh, avec ces gens et finalement, on, a compris que euh, on ne pouvait pas rester avec eux. Imaginez-vous un régime euh, qui se dit socialiste. Et le Soaba était MSA, un mouvement socialiste africain, qui, pendant tout un mandat, pendant cinq ans, n'a daigné citer une seule fois Jibou Bakari. À plus forte raison, mettre son nom à un édifice public de la place. alors que, la place jibou quand même. Non, c'est pas lui. Ça, c'est le régime militaire. Alors que tout le temps, on claironne Djori, tout le temps, euh, on donne le nom de, de, de, de ceci et de cela à Djori. Et maintenant, on va jusqu'à fêter son centenaire. Et on veut ignorer systématiquement et totalement Jibo Bakari et, le combat qu'ils ont mené pour la libération. Juste pour remettre les choses dans leur contexte. voilà. D'accord. Voilà. Merci, merci beaucoup pour cet intérêt que vous nous avez accordé. Merci d'être venu. Donc, je vous rappelle, nous avons eu comme invité euh, Monsieur Zoumari Issa, qui est historien et ancien chercheur à la retraite. Et puis, le président de l'URFP Sawa, Moukaila Sanda, nous avons discuté du nom du Sawaba au référendum du 28 septembre 1958, donc hier. Merci d'être venus, euh, chers invités. Bonsoir à vous, euh, chers auditeurs.